waaw mbokk yi ñu ngi leen di sant di leen gërëm di wax ne tey dañu fi ñëwoon ci turu bureau exécutif national bu mouvement des jeunes bu Pastef muy JPS nekk ci benn tournée nationale boo xam ne tàmbali nañ ko ci région yu bëri ñu nekk tey ci état bu région de Dakar tey ñu waroon ñëw ci département bu Guédiawaye waxtaan fi ak militants yi nga xam ne ñoom ñooy jeune Pastef si fi ñu war a jëm muy élection présidentielle enjeu bi mu am ci réew mi enjeu bi mu am ci seen avenir ak taxawaay bi ñu war a am pour ñom ñu mëna a ku leen neex te ñëpp xam nañ kan moy seen tànneef moy président Ousmane Sonko bo amé sa tànneef nak da ngay fexé fa nga mu am capacité mu mën fa nekk moy protéger la candidature du président Ousmane Sonko mooy suñu priorité. lolu moo tax ñu ñëwoon waxtaan ak ndaw ñi si enjeu yu nekk loolu jël seen doléance jël seen attente ci bureau bi nga xamné mom nañu nommé ci GPS ensemble ñu tënkandoo ay xalaat pour fexé élection yi ñu jëm qui participer ci mais au soir du 25 février 2024 nous élisons le président Ousmane Sonko dès le premier tour. une candidature Ousmane Sonko du mbirum affaire loi parce que loi bi nga xam ne moom la retiré c'est juste un gain de façade qu'on offre au peuple mais nous avons une candidature Ousmane Sonko une loi bi ñu dugal du moom mooy éliminer wala mu Ousmane Sonko Nous avons a xam ne nag ci droit mais nous avons dit tënk say mbir ñëw taxaw jàllale bu doon mooy tax lépp lépp yemb ci aduna esclavage bi fi jugee colonisation bi fi jugee apartheid bi fi jugee fii crime yi gën a bon ñaawteef yi gën a ñaaw ñi koy def duñ ñëw ne li may def ñaawteef la toujours ils ont deux mécanismes premier mécanisme mooy ki ngay note da nga koy gëmloo ne li nga koy noot intérêt la tubaab bi loolu la ñu doon def dañu ñëwoon pour civiliser ñu loolu lañu wax ñaarel bi moy ki ngay note dang koy gëmloo ne li ngay note yoon la kon Sénégal buñu jaawale li yoon ak li ñu yoonal li ñu yoonal nag def ko ci ay loi jaar la ko ci ay assemblée réew mi yàgg nañoo taxaw bu dee injustice ñi ngi ko fi réew mi wax mu ne la 23 juin 2011 ndax moment bu historique la woon ci démocratie sénégalaise pourtant bu ticket présidentiel jàlloon mais assemblée mo am légalité pour pour pour jàllale ko député ya fa nekkoon majoritairement bokone ci parti au pouvoir ci jamono jojo ak coalition au pouvoir amoon nañ prérogative légale pour mën voter loi boobu te waroon na mën une loi de la république président promulgue ko ñu mën ko exécuter mais la mo taxone sénégalais yépp genn taxaw ne loi boobu injuste ba nit ñi xeex ko ba ñu retirer ko lolu moy démocratie démocratie dépend ci affaire de légalité bo xamné c'est une légalité déguisée légalité bo xamné andul ak légitimité peuple bi amul obligation soumettre ci si ñuy wax force restera à la loi man du pas force restera au peuple parce que la loi c'est l'émanation de la volonté populaire La loi c'est xam la traduire volonté populaire Quelle amul obligation de bon la suppression de la CREI euh, en tant que juriste pour moi, euh, réforme la réforme, xam ne pas nous nañ ko supprimer CREI mais loi supprimer mooy loo ne sax doon mais 1981 42 ans créé, l'un lan la de yëngatu éliminer adversaire politique donc il y du une juridiction active li am solo ci ay réformes ay parquet national financier le judiciaire financier Nous avons fa une modalité nous ñu leen juge du siège parce que pour le juge de parquet le procureur yi ban lien nañu am le pouvoir exécutif bu ñu fi un parquet national financier mais on a une cour des comptes on a une cour des comptes tay magistrat ñoo fa nekk am ay juge am procureur général boo xam mi ngi près la cour des comptes te ñooñu dañuy pare def seen rapport le Covid bi y bu ñaaw nañ ko yore bu ñu ñu jël rapport bi Sandy. ne dañuy defaat beneen enquête préliminaire yóbbuñ ko sax instruction et pourtant loi bi loi organique bi nga xam ne moo cour des comptes daf une information judiciaire nañu war a kon bu kenn jàpp vous nous créer pôle judiciaire financier Vous faites que nous sommes à la tête de l'exécutif de ce pays conduire les réformes yi tax parquet dans les ñu ko jox ñu wàññi wala hiérarchiquement li mu dépendre ministère de la justice mu parce que ñaar avons benn nga ci choisir fexe ba juge du siège ñu nous may ay garantie d'indépendance ñaareel bi magistrat yi jël une responsabilité par rapport à l'indépendance qu'il nous assumer bépp juridiction nous ñu munti créer créer

jàpp ne ñoo ñoo population deux mois nañ ci teg un bureau de vote sax dañ leen ko changer bañ changé Les sénégalais yi ñu ngi observé loolu man ko arbitré ñoom ñoo arbitré présidentielle aujourd'hui sous mon égypte, le bureau exécutif national de la jeunesse patriotique du Sénégal qui est le mouvement des jeunes de Passif, a effectué un déplacement dans le cadre de sa tournée nationale dans le département de Guédiawaye qui est un département stratégique au sein des cinq parmi les cinq départements que compte la région de Dakar. L'objectif de cette tournée est de renouer le contact avec la base, inscrire ou imprimer notre gouvernance par une démarche inclusive, par une démarche participative consistant à aller au niveau des bases, parler aux militants jeunes patriotes, discuter ensemble sur les échéances à venir sur la prochaine élection présidentielle de février 2024, mais sur les étapes préalables consistant à nous battre pour résister contre la dictature, mais pour résister pour l'instauration d'un système démocratique. Et un système démocratique, c'est un système où les modalités d'accession au pouvoir sont libres. Et une modalité libre, c'est une modalité inclusive d'où la nécessité de protéger la candidature du président Ousmane Sonko. Protéger la candidature du président Ousmane Sonko, c'est mobiliser toutes les énergies de ce pays. Protéger la candidature du président Ousmane Sonko, c'est aller à la rencontre des militants, les sensibiliser sur la nécessité de mener le combat à haut débit. C'est la raison pour laquelle nous avons jugé nécessaire de faire ce déplacement tout en priorisant les zones les plus stratégiques, tant du point de vue démographique sur le plan électoral que du point de vue du positionnement territorial. Euh, c'était l'objet donc de notre déplacement aujourd'hui et nous avons trouvé ici une jeunesse déterminée, une jeunesse consciente des enjeux de l'heure, une jeunesse qui se bat pour l'avenir de ce pays mais une jeunesse surtout compétente. Donc vouloir empêcher à, Ousmane Sonko de participer à l'élection présidentielle de 2024, c'est faire preuve de cécité intellectuelle, c'est faire, faire preuve culture historique, mais c'est faire preuve d'une culture démocratique et républicaine. Et je pense que les autorités sénégalaises doivent saisir la balle au rebond, comprendre le danger de l'euro. Comprendre que les Sénégalais en ont marre de ce système. Comprendre que cette jeunesse qui a soif de changement n'acceptera jamais que sa démocratie soit confisquée sous l'autel sous d'un quelconque deal politique. La candidature, l'éligibilité, l'élection, ce sont des affaires du peuple. Cela n'appartient pas à la justice. Cela n'appartient pas à la magistrature. C'est un rendez-vous du peuple qui librement doit avoir l'opportunité de choisir qui placer à la tête de ce pays. Donc, qu'ils saisissent la balle au rebond et qu'ils comprennent que les Sénégalais veulent des élections libres ou le meilleur en termes de compétences, le meilleur en termes de crédibilité, le meilleur en termes de poids politique et électoral sera choisi. Et le meilleur est connu par tout le monde, c'est le président Ousmane Sonko qu'il faut élire au soir du 25 février 2024.